Cette semaine, nous allons parler de la rentrée scolaire du primaire au secondaire prévue pour le 4 octobre. akwai ina dai uwayen un makaranta da na nasu kowa ma shirye-shirye yake nan gai wannan koma an makaranta da za a yi ta bana inscription achat des fournitures ou confection de tenues scolaires les préparatifs vont bon train à quelques jours de la rentrée amma wannan koma har makarantar ta bana ya ne ake quels sont les défis auxquels il faut faire face cette année après les résultats pas très reluisants aux différents examens de l'année précédente. Chez ça, des Arts. Et comme invité, nous avons avec nous des structures syndicales, des enseignants et des structures de jeunes qui œuvrent pour la bonne marche de l'éducation nous avons avec nous Souley Sani, le SG du SINAFSES, le syndicat des agents fonctionnaires et contractuels des enseignants du secondaire. Ça va, monsieur Soleil Oui, ça va bien. Vous allez bien Ça va, l'âme de sur la FADA. Ça, On a est FADA, nous Il est du cadre, le cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme et euh, notre ami de tout temps. Mahamadou Abdougado. Ravi, bonjour. Ça va, tu vas bien Je vais bien. Toi, tu es de l'Observatoire de la jeunesse pour la paix. Nous aurons notre musique, la chronique qui est l'affaire de Mr. Olivier et la rubrique qui est préparée chaque semaine par Mr. Dondi. La col de Takoraro, Inji Jikokina, Arawa ko ina shirye-shiryen ne daga mai sayan kayan karatu sai mai sayan kayan jiki. Cette année, les parents d'élèves ont espéré une baisse du prix des frais de scolarité kwanakin baya. Mun gamu da wasu a cikin su wa'annan uwayen sun zo biya ma ɗiyan nasu kuɗin makarantar. Mu shirar rahoton mu ji et eh, on se retrouve juste après. A ranar biyar ga watan Yuli 2021, ministan kasuwanci ya ƙirƙiro wani kwamitin husa a. tunani kan farashin ɗaukar darussa a makarantun boko masu zaman kansu tsari da uwayen yara ɗalibai ke jiran gani ganin sun jima suna kokawa kan tsadar farashi a cikin makarantun boko masu zaman kansu. Ana sauran mako ɗaya a shiga ɗaukar darussa rubutawar ɗaliban na gudana cikin sanyi-sanyi. Muna ganin gwamnati ta yi sakaci ganin halin da ake ciki na tattalin arziki idan gwamnati ta dafa ina ganin abu ne mai kyau idan kana da yara biyu ko uku irin wannan lokaci ya zo hankalin uba a tashe ki tare da mutunta tambayar da gwamnati ya masu na sun tsayar da duk wani karin farashi ko rage shi masu makarantun boko na sa ran ganin kwamitin ya yi lissahi da yonin da ke kansu dan da kwai amadu jibbo shugaban haɗakar ƙungiyoyin masu makarantun boko da ke zaman kansu. Akwai wata wasiƙa da ta fito daga ofishin minista da ke magana bisa farashin kuɗin makaranta. Masu rubuta suna 'ya'yansu a makaranta ba sa zuwa da yawa. Kwamitin ya dace ya ƙara aikinsa da wuri. Gwamnati ta ɗauki mataki domin sanar da sabon farashi. Kwamitin ya yi la'akari da nauyin makarantu masu zaman kansu. uwayen yara ɗalibai da masu makarantun boko masu zaman kansu na jiran wannan tsari na daidaitawar farashin ɗaukar karatu a ƙasar Nijar. On revient à la fada avec nos invités, Monsieur Souley, je commence par vous. Monsieur le SG, kuna da ƙarin bayani da zaku ba mu bisa kan wannan jira da uwayen ɗiya suke yi cikin shirye-shiryensu na saɗiyansu sulakol suna nan suna jira a ce gwamnati ta kawo musu sulhu cikin kuɗin da suke biya na karatun ɗiyansu. Mm, to assalamu alaikum wa alaikum salam na gode rabi masu sauraron mu kuma mana maku barka da yau to rabi shi wannan abu da kika gani na harka fare da scolarite kudin lakwal na tabiya mu ce lakwal tabiya kudin gada aka sa aikin sani lakwal kowace lakwal da kudinta akwai inda za ka iskewa kudin ma ba su kai jaka ɗari ba wani wuri sun hi kuma nivo guda don ka abu daidai ga nan ko ina yanzu gwamnati ya yi ne ya tashi da kan shi ya gyara abu kenan an sa kwamiti to muna fatan dai kwamitin nan in ya kara aikin shi insha Allahu za a hiddo abu na kirki wanda eh, uwayen yara da su kan kansu masu lakwal nan prive za su cewa gwamma da aka yi insha Allahu to su ko firov kun shi dai in an ce ga abin da ta da musu hankali su kuɗin biya Oui, vous savez, Ravi, merci pour la question. Mhm. L'école euh, euh, est un service public. Et en tant que service public, encore que euh, ce n'est pas un service public des moindres, hein, c'est l'éducation. On ne peut pas permettre à ce que des individus fassent du commerce et la recherche du gain exorbitant avec l'école. Parce que quelque part, les, écoles privées assurent aussi la continuité du service public. Et de ce fait, euh, tout le monde, l'éducation est avant tout un droit. Alors, on ne peut pas faire de la surenchère avec l'éducation. On ne peut pas, sans, sans pour autant justifier l'augmentation chaque année, augmenter sur les prix de euh, sur sur l'écolage ou bien sur la scolarité alors, on ne peut pas fixer juste comme ça, mais il faut prendre en compte tout ce qu'il y a comme paramètre, tout ce qu'il y a comme mesure, parce que souvent, il ne faut pas aussi que ces entreprises la partent en faillite. Tu es de l'Observatoire de la jeunesse pour la paix. Comment cikin aikin da kuke hallo bangaren ilimi da karatu nan ma kuma kuna leƙawa to kaga da yanzu rantre ta zo mun ji kukan wasu faran da yanzu za mu dawowa ga shirye-shiryen rantre cikin observation kin naku ya kuka garantaran bana shirye-shiryen da aka mata bana dai eh, eh, shirye-shiryen rantaran bana eh, ni dai a nawa gani kuma abun da muka ganowa bisa terrain da muka yi tambayoyinmu Um, a cikin eh, lokol eh, mushanin lokol eh, don da su ne muka yi hira akwai wasu suka ce muna ka duk wata shekara kayan a shigowa sai sun gamu tare da guvernama mm. su yi ah, lisayi su tattauna bisa kan yane za a yi a shirya rentre kuma kayan lokol da za a kai cikin garuruwa na nijar ko ina mm. a kai su tare da su ne za a yi su mm. me wanga shekara dai an dauki lokaci ba a yi ta ba ah, ba yi wannan ba yi wannan ba eh, cikin hiranmu mun ganowa cewa ke otoritecinmu eh, suna da kishin eh, a kama mu lokal kuma a girmama a ba makaranta darajar shi ba mm. me problem kinmu esko akwai abubuwan da ya kama kaman su tiyankin kama a ce kuɗi da za a ke dewa don a sa cikin harkokin shahidai da eh, eh parce que mu abun da muke son ka a yi kaman rentrer politique kin na ka san shekarun baya sa ake muna an yi rentrer le 4 ba shirya ba sa a tai hal Desambar ba a fara karatu ba yara suna zuwa lokol za su dawowa ba su yi komi kai dai ka a yi mm. wannan rentrer ne a ce an tafi kuma an yi wata ana ana yara suna ta kewaye kewaye cikin kur kuma ba a fara kur ba ba a fara eh, komi ba to bari dawo wajen mushan lokal kini ke tare da mu a nan ga SJ kin sinafses Monsieur sule yanzu ya kawo hira da ya yi tare da wasu mushukan lokal ya ne ona ne u revendication syndical to kin san Rabi shugaban kasa tun da aka azashi an da ya fara gama da su mushanin lakwal ya gamu da mu duka sandika na mushanin lakwal ya gamu da mu mun tattamna a can wannan gida wanda ake ta mahamata gandi yake eh mahatma gandi eh mahatma gandi can muka gamu da shi aka tattamna aka gaya mu gashi aka ba da resulta na evaluation wanda aka yi secondary mm. duka mun gani wannan duka aka ba mu resulta da komi da komi yanzu bai cin wannan tattamna kuma sa aka sake gama mu da da ministrori aka sa komite kuma muka sake tattauna aka ce da a rubuta matsalolin da ke da kai muka rubuta aka yi kai da sharh ko na regroupement na sandika ka aka yi to matsalolin da daidai ne yanzu abin da dai saura ba a kira mu ba gaskiya ne muka tattauna bisa kan wannan matsalolin amma tun da deja gwamnati ya ce shi inda shugaban kasa ce shi yana son ya gyara ana matsaloli saboda baya son ya ji lakwal ta koma baya ya da ta ga hannuwan shi yanda aka ya ɗauki harkar tsaro haka lakwal ya doke ta ita ma eh. kenan kin ga dole tun da mu 'yan ƙasa ne za mu zira ido ta kun mu gani irin ta haya ce za a yi saboda muna jira mu gani in dai lakwal ta bitin da lakwal ta kowa ce mun kan kan mu ɗaya mu aida suna cikin lakwal ɗin mm-hmm, kenan mm-hmm. in ta gyaru daidai ne ƙasa ce ta gyaru daɗin kowa ne shi yasa yanzu ba za mu sa tunda akwai niyya ta yi ba za mu cewa ba a ran tare sai an gyara mu kaza an gyara ka a'a kun ji dai bakin namu da muka to yau bisa kan shirin namu ana nan dai an sa ma gwamnati ido a gani wata tahiya ce za a yi ma wannan karatun na bana wannan lakwalikin to mu dai muna fatan ta yi daɗi bisa kan wannan fatan namu za mu leƙawa ɓangaren dondi mu ji wannan gaman cikin rubrikin tashi da waye hira e on se retrouve juste après ami la fada auta ibaba dondi la machine te souhaite La bienvenue sur l'artiste s'exprime. Comment tu vas Ça fait plaisir de ah, retrouver ici. Ça fait plaisir. On a commencé le combat à la fin Le combat a commencé depuis longtemps. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oublie celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 382 du Code civil applicable au Niger. Aujourd'hui, sur cette émission, c'est de ton parcours qu'on va parler. C'est de Aouta qu'on va parler. C'est de Ibaba qu'on va parler. Qui est Aouta Alors, et Aouta, c'est tout d'abord un jeune étudiant qui avait décidé de pratiquer de l'art OK. et qui s'est lancé en 2013 dans, la musique. D'accord. Et qui a réussi à enregistrer un premier titre. Ok et qui l'a fait découvrir au, public euh, nigérien. À l'état civil, comment est-ce qu'on t'appelle tout simplement Issa Abba. Issa, Tu es né en quelle année En 88. 88. Super. Alors, Aouta, c'est quoi ton genre musical Auta, c'est ce genre d'artiste qui essaie de survoler tous les genres euh, musicaux. Qui touche à tout. Qui touche à tout. Comme Fuenobi Et peu importe euh, dans ce que Auta se lance, Ok. il euh, essaie de mettre l'empreinte de ses origines, que ce soit pas dans les instrumentales, que ce soit dans la langue. Il y a toujours cette identité culturelle qui ressort de tout ce que Auta produit comme comme son et comme message. le concept, c'est quoi Gida, Et le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne le transforme jamais en crocodile. Ah, Tout a commencé ici au Niger, en 2013. Et tu as évolué comment alors, en 2013, pendant ce temps, puisque il y avait le mouvement Afro, Afrobeat qui émergeait, Ok et le terrain était un peu vide euh, au plan local. Donc euh, j'avais décidé de me rendre à Ouaga pour enregistrer mon tout premier single et j'ai eu la chance de côtoyer Adiska. Adiska Ouais, qui est le PDG de Adiska Family et qui a récemment travaillé sur l'album de Magic System et beaucoup d'artistes Bien sûr, on Adiska, ouais, euh, donc, Adiska, il y a eu le feeling euh, tout de suite et on a enregistré Yetu Yeta avec un autre euh, Nigéro-Burkinabé qui s'appelait Simon. Simon, oui. Simon aussi. Donc, quand on a enregistré Yetu Yeta et je suis revenu faire la promo, et quand j'étais confronté aux différentes euh, difficultés, puisque tu savais très bien. Non, la c'est En 2013, euh, l'étudiant, euh, voilà, c'était. Les gagnants, c'est pas ceux qui ne sont jamais tombés. c'est ce qui arrive à se relever. bien Donc, on a continué le combat et, j'ai réussi à faire un deuxième single. Puisque, entre-temps, il y a Adiska qui s'est installé à, Niamey. Tout à fait. Donc, les choses étaient devenues encore plus faciles puisque mhm. le déplacement ne, tenait plus. Mhm. Donc, qu'on a réussi à enregistrer et away Donc, euh, je me suis dit, bon, comme j'ai commencé avec euh, cette dynamique, celle de mettre en valeur la, culture nigérienne, je me suis dit, bon, pourquoi pas continuer avec un concept qui retrace notre enfance. Et je me suis dit, bon, il n'y a pas un Nigérien qui va entendre Toboy et puis en ça, ça va te. Poussé oui, à et... faire enregistrer Tobé. Et Tobé, c'était un succès, on l'a tous kiffé. Et c'est ce qui m'a révélé au public. Ah, ça t'a révélé au public, après tu t'es éclipsé pendant de l'éclipse, <laughs> l'éclipsage, l'équilibre suite. En fait, de derrière C'est pas l'éclipsage, c'est j'étais parti en mission en fait. Ok, moi, mission. Moi je considère Continue ça comme... ce que tu as commencé ici. Absolument, absolument. Okay, parle de ça. Tu as eu une vie euh, ailleurs. Oui, en fait, euh, donc euh, en 2017, 2017. j'ai quitté Niamey pour, des raisons privées, et familiales. Et je précise que c'est pas à cause de la musique que j'ai quitté le Niger, c'est pour des raisons privées et familiales. Donc, euh, arrivé en France, je me suis installé à, ah, à Paris. Ah je me suis installé à Paris. Donc, pour euh, ça oui, j'ai disparu et il y a beaucoup en fait, euh, puisque j'étais présent, j'étais beaucoup plus fréquent sur les réseaux sociaux. Donc les gens demandaient alors, Aouta, maintenant, il n'y a pas un nouveau truc. Et alors que moi, pendant ce temps, puisque quand tu arrives dans un nouveau milieu, mhm. il faut d'abord une phase d'adaptation. Ah, il faut comprendre. Et surtout une phase, euh, une très grande phase d'observation. Tout fait. à fait. Le mec, il a compris les choses. Apprendre, c'est comprendre. Il a compris et là, il revient avec force, avec toute, euh, et n'est-ce pas, la puissance, euh, n'est-ce pas, d'un Aouta. Alors nous sommes à la fin du premier angle, Mr. Aouta. Nous allons tout de suite maintenant te permettre de placer un mot, un mot de fin. en tout ce que tu viens, que tu viens, parce qu'en fait, ce que nous, nous voulons, ce c'est que les choses changent. Que vous soyez ici ou ailleurs. Eh bien, nous, ce qu'on veut, c'est de voir les couleurs nationales rayonner, rayonner, rayonner. L'instant est sur de Tout ce que, tout ce que je voulais dire, tout ce que je voulais dire, en fait, euh, et là, je suis revenu. Et pendant ce laps de temps, j'ai observé une très grande évolution de, la musique nigérienne. Et je pense que nous sommes dans une très bonne dynamique et que les choses sont en train de bouger. Et j'invite tout un chacun, si tu décides de faire de la musique, sache que voilà, il n'y a pas mille chemins pour y arriver. Tout commence par le travail, ensuite vient le travail et à la fin, on finit avec le travail. Il n'y a, que le travail qui paye. Et sur ce travail, il faut ajouter la foi. Mhm. Et la foi, c'est pas seulement le fait de dire que oui, je vais faire la musique. La foi, c'est se confronter à toutes ces difficultés, puisque la musique, surtout ici au Niger, on est surtout en autoproduction. Et se dire que cette foi, c'est le dépassement de soi d'abord. Et la foi, c'est lorsqu'on a espoir, lorsque on n'a plus espoir en fait. C'est ce dépassement de soi. Tout à fait. Tant qu'il y a la vie, il y aura espoir. Ladies and gentlemen, le travail nous éloigne de l'ennui et du vice. La devise du Niger, fraternité, travail, progrès. Genre, on doit fraterniser dans un premier temps, ensuite travailler pour pouvoir progresser. Et bref, fraternisons, travaillons, progressons. Machine. Finish. On revient à la FADA. Aujourd'hui installé euh, en face des Académies des Arts, au rond-point ENAM. C'est ici qu'on papote avec nos invités autour de la rentrée. À quelques jours de la rentrée, Mouché, bande rentrée. hira da na suke kula sa ido bisa kan uh, ana nan gayi da kyau ba a nan gayi da kyau mun gaito su dai mu hira mu ji wannan rantaran ta bana ya ne za a yin ta yanzu za ni ci gaba da tambayar tawa ko fi zan dawo janka ka ji dai ɗazu sule yana ne na zancen eh, bezuwan revendication kinsu kai a ganin ka cikin kadirkin naku wane bezuwan ne kuka ga dai ya kamata a ce bana an samu an kare da su Rabi, l'une des grandes revendications du monde scolaire, c'est le paiement à terme échu des pécules et des salaires. Hmm. En tout cas, euh, ça fait au moins, je prends l'enseignant en témoin, ça fait au moins quelques deux ou trois ans où on ne parle plus d'aéré, de pécule, machin, machin. C'est, en tout cas, c'est payé à terme échu. Les allocations, les bourses sont payées à terme échu. Hmm. Peut-être, à Anabia, peut-être la, la chose dont le plaidoyer qu'on pourrait faire, c'est de mettre fin à l'existence des classes payotes. Les classes payotes, vraiment, il faudrait créer les conditions qu'on en mette fin. Euh, en parlant de ça, j'ai à souvenir euh, les, tristes événements qui se sont déroulés vers le quartier aéroport ayant endeuillé plusieurs familles. Et ça, c'est dû euh, à l'existence de ces classes payotes-là. Et je me réconforte pour dire que, puisque le président de la République fait de l'éducation une question personnelle, alors je crois qu'il va s'investir parce que lui-même est un enseignant de carrière, ne l'oublions pas. En tout cas, c'est l'une des rares fois que le Niger a un président qui est lui-même enseignant de carrière et qui connaît bien les préoccupations du monde scolaire, du monde euh, des, des, écoles. Aujourd'hui, je crois que le président Bazoum, on n'a plus besoin de lui présenter la situation de l'école euh, il la maîtrise assez bien, puisque lui-même est issu de ce milieu-là. Et c'est pourquoi c'est tout à fait normal. Et c'est pourquoi nous, nous le croyons et nous fondons l'espoir. Et nous avions tous obligation de l'accompagner pour que cela soit une réalité. Que ses ambitions soient une réalité. attention ok wani abu da ya ce muna nan muna sa musu ido muna kama musu ne mun sa ido ne ba yi ba don mu kama musu yanayin da ku za a cuɗa eh, eh. Hmm. ya kamata duk 'yan eh, kasa paske kin san harkar lokal don 'yan kasa suka sa a kansu ga harakan gwamnati ne dan shi ne ba ta yi wa harakan ne da ya shahe kowa da kowa talaka mai kudi ansenyan elev mm. dan kasuwa kowa ne ne in baka didiya kana da kani. a lokal harakan ne ya shahe kowa don mu bar sa musu ido in muna sa musu ido ba ta yi wa su kadai ba su yi jere a kama musu a yi jere haka ne a nawa gani eh, L'école qui a besoin surtout c'est l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Comment rayuwa ta enseignant. Enseignant qui ne kamata asata cikin condition. Et aujourd'hui, c'est les enseignants qui ont formé pratiquement tous les cadres de ce pays. Et c'est qui sont jetés à l'oubliette. Mais aujourd'hui, même pour accéder à la fonction publique, c'est un problème pour les enseignants. Il y a combien d'années Je pense que ça fait partir de leur plateforme revendicative. Il y a que maintenant, à et chaque année, intégration directe, il y a Il y a un nombre d'années dans un pays, directement comme il y a ina interview intervenir bara farasa ana ina jinka eh. ana zancen shika kuma ai dole shan kuma yayi magana abin da yasa ni ban tabo wannan fanni ba saboda shugaban kasa da kanshi ya ce yana so ya kare da wanga system na kwantaragi shi da kanshi da aka gamu da shi ma ya ce so yake a kare da wanga system na contractualization tunda ka san ita kwantarawa ga wani lokaci ne kasa ta shiga cikin mata hali aka rasa yadda za a ɗauki mushani sai aka ce to bar a sanyo kwantaragi dan lokaci ne ya kamata a ce ya yi in kasa ta medo arzikinta a ce an wuce shi hmm. to sai kasance kullum cikin gwada mutane ake kasa bata dawo ba kasa bata ba ta da arzikinta wani abin ga har aka ta taya haka ha abin ya zama ma kawai sun hima yawa yanzu wajen kashi 80 nan mushani na lakwal yan ne daga hmm. primar har zuwa sai ije da lise amma ko da muka taima muka zamana da gwamnati da shi president da committee interministerial wannan ministrori duka cikin abin da muka aza kawo matsaloli na mushani su da kansu ministerin suka ce abin da suke so su ɗauki mushani eh, su zama a ƙara wannan harkar kwantaragi shi ne wanda shugaban ƙasa yake so saboda mushani yana kwantara kaga hankalin shi ba kwance ki saboda ba ya zaton cewa a'a shi mushe ne ko ba mushe ne ya ida ya zama ya da cikin mushi har yanzu dai kana nan kawai baka san inda kake ba kana ma neman to kenan kana neman wani aiki ma wasu da yawa sun samu aiki sun taye su yanzu mushani na primar za a gani masu birebe da an ce ma an fara konkur din polis ko garda ko wani za su bar mushe su ta si mm. tunda kaga can wurin akwai matrikil direct ma to wannan abu ya kamata ma gwamnati ta kula amma shine ce mu yanzu ta haya ce muke za mu observe mu gani amma tun dai milka torz raman da doka in kai ka da kwantara ne shekara hudu kana kwantara zai kamata a doke ka ko kuma kai shekara biyu na service civic da shekara biyu na kwantara ya ka kauɗe kenan kenan ya kamata a doke ka kaga wani eh, eh, sun samu matrikil to ta wata hanya ce ba hanya gaskiya bace ba hanya Allah da annabi bace muna fatan wannan ita ce babbar solution talakwale yanda haga yi fi sibillah mu shan ba cikin hali na daɗin rayuwa to akwai wahala To, eh, kun shi dai ko masu shuraren mu shi dai mushan lakwal an hankalin shi bai kwanta ba kuma rayuwar tashi yana ganin ta gata nan yau ba a sani ba gobe ba a sani ba de la Fada, c'est la fin des vacances. On danse un peu avec La Summer de Zara Larson et on se retrouve juste après sur la Fada. la rentrée scolaire. Elle sera effective. Est-ce qu'elle se prépare dans les établissements scolaires On en parle aujourd'hui avec Covid-Off du cadre pour euh, la démocratie et le droit de l'homme. Nous sommes avec euh, le SG du SINAFSES, le SG régional, Souley Sani, Abdougado de l'Observatoire de la jeunesse pour la paix. Et je rappelle que Souley Sani, c'est le SG du SINAFSES, le syndicat des agents fonctionnaires contractuels de l'enseignement secondaire. Je viens à la dernière question de cette émission. Kofi Ndaodanka. Mangare sakamakon jarabawa da aka yi tabara. Maintenant, à l'issue de ces résultats pas très reluisants, ina y in ji shawarar da zakaba. sous ou su uwayen makiyan da M40, kai da gwamnati Pour que bana ka a samu irin wannan sakamakon mai hankali. On le disait tout à l'heure, les examens se préparent dès les premiers jours de la rentrée. Et tout cela, c'est une conjugaison de plusieurs acteurs euh, les parents ne doivent pas démissionner. Ce n'est pas le fait que tu as envoyé ton enfant à l'école que tu n'as plus le droit de, de regard ou il faudrait attendre à ce que l'enfant amène son bulletin pour savoir ce que l'enfant fait. Je crois que le maître a, sa partition à jouer, mais les parents aussi ont leur rôle et leur responsabilité dans cette affaire. Il faut suivre ce que fait ton enfant. Au moins avoir une visite périodique dans l'établissement de ton enfant, allez voir euh, est-ce que mon enfant vient réellement à l'école. Parce que souvent, l'enfant, tu lui donnes le petit déjeuner le matin, il prend son sac, il dit il va à l'école, il va faire autre chose. Il ne vient pas à l'école. Toi, tu ne pourras le constater que sur ses bulletins. Alors, si vous y investissez, vous allez régulièrement, vous êtes en contact avec ces enseignants, vous pouviez savoir ce que fait votre enfant. Et là même, vous pouviez connaître le niveau réel de votre enfant, qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut améliorer, où est-ce qu'il a des lacunes avant même la fin de, de l'année. Ce qui fait que du coup, les parents d'élèves devront s'investir plus dans l'éducation. L'État doit jouer sa partition. C'est vrai, le président de la République a pris l'engagement de dire que d'ici peu, on va mettre fin à, la contractualisation, qui est une gangrène dans notre euh, système euh, éducatif, puisque l'enseignant doit être quand même à l'aise pour pouvoir tenir la crêpe. Parce qu'on dit ventre affamé n'a point d'oreille. Alors, et je crois, ils sont sur le chemin en donnant des matricules pour tout contractuel ayant fait 4 ans d'enseignement. C'est quand même une voie de mettre fin à ce système de contractualisation-là. De toutes les façons, le Niger qu'on veut dans 30 ans dépend de notre système éducatif aujourd'hui tous ces pays, aujourd'hui la Chine dont on cite comme émergent, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont fait le mea culpa de leur système éducatif et ont décidé de donner une orientation meilleure. Et que l'État a un œil regardant. Et je crois que le président de la République est à féliciter en mettant un œil, Parce qu'aujourd'hui, c'est lui-même qui dit, il fait de l'éducation son cheval de bataille. Il ne délègue pas ça à quelqu'un. Il est le premier responsable. Donc je crois qu'en tant que premier responsable, il doit tout faire et nous devrons l'accompagner pour cela. Merci. sai kuma magana ta karshe bisa kan wannan shirin namu kamar shawara da za ka ba dai duka wanda suke cikin harkan fannin ilimi da zan ina kira ga gwamnati su karasa ido sun bari lokol ne dan shi ne ya zama haka yanzu a kama musu lokol ta ci gaba baske yadda kofi yahudi ne lokal shi zai ba mu 'yan kasan da muke so nan zuwa gaba kuma shi ci gaban da muke nema wannan duka sai lokal parce que lokal ne likita lokal ne zai wuto president premier ministre député komi da komi dukan su sai sun yi sun bi lokal don vraiment su sa ido mu kama musu yadda mushannun lokot suka hada mishi suka ce za su kama mishi yan kasa duka mu kama musu abun nan ta shahe kwaya da kwa don ku mu kama musu lokol ta ci gaba mu ya ci gaba to kun shi ko to da kai zani karewa mushe <laughs> magana ka ta karshe fuska wannan shirin namu muke so mu ji tunkara da nake batu mu duka dai da mushani da yan lakwal yau shugaban kasa ne ya ɗauki lakwal ga hannu kuma ga shiga ta yadda ake ya gwadi a ne ta yi din to muna fatan abin da ya kamata mu sa ido mu yi suyuvar magani shekara ce ta test Allah uwanji ya kama mashi kuma Allah uwanji ya kama mu Allah sa lakwal daga wagga shekara ta hita daga matsalar da ake ciki fatan da muke mun gode hirar tamu da muke tare da bakin namu ta zo karshen ta zama da sa'aya a wannan shirin amma kan nan zani ba Olivier dama ya zo min da kronikin shi mu sha abin da ya shirya muna wannan makon eh on se dit officiellement au revoir sur tout Amis auditeurs et auditrices de la FADA, bonsoir. Pour cette première chronique de ce mois d'octobre 2021, j'ai choisi de vous parler de la facture certifiée. Oui, ce n'est pas tendance la fiscalité, je le sais, mais toute cette semaine, le débat sur la réforme de la facture certifiée a occupé les réseaux sociaux nigériens. De Facebook en passant par Twitter ou encore dans les groupes WhatsApp, le débat sur la nouvelle facture certifiée a occupé les internautes. Cette réforme de la Direction générale des impôts n'est pas une nouvelle taxe, a assuré Jidou Dahmad, le ministre des Finances du Niger. Cependant, certains internautes estiment que la réforme est passée assez vite entre incompréhension du processus d'acquisition et le prix élevé des factures nécessaires pour la mise en place de la facture. En tout cas, beaucoup des questions se posent. Nombreux sont les entrepreneurs nigériens qui s'interrogent sur comment avoir les moyens pour se conformer à la réforme fiscale en cours. En cette fin d'année, où le jeune Nigérien vient de traverser une période rythmée par le ralentissement des activités économiques dues au Covid-19, cette réforme fiscale n'est pas la bienvenue. C'est le point de vue de certains internautes. Pour d'autres, la Direction générale des impôts doit repousser le délai de l'exigence de la facture certifiée en janvier 2022, une proposition qui a été faite lors de la journée du contribuable le 29 Mahatma Gandhi de Niamey. La facture certifiée n'est pas la seule réforme en cours au niveau de l'administration fiscale. La DGI a également introduit un moyen de télédéclaration des taxes et impôts, tout ceci dans l'optique de lutter contre l'incivisme fiscal. Amis auditeurs et auditrices, il y a trop à dire sur la fiscalité. D'ailleurs, l'équipe de la FADA travaille sur une émission sur la question. Restez à l'écoute de nos programmes. D'ici là, portez-vous bien et comme toujours, Paix, lumière, amour sur vous. One big love à tous. Merci bien Olivier. Ben amis auditeurs, c'est la fin de tout ça la Fada Française, Hausa. Nous étions avec les structures euh, qui représentent les enseignants, les structures des jeunes qui œuvrent pour la bonne marche d'une école de qualité. Yo, mun yi nan da 'yan kwana biyu za mu cewa rantare ta gabato to ya ne an shirya ta za a yi ta da kyau ba irin waccan bace da za a yi kuma sai an yi wata daya yara suna nan suna ta kewaye kewaye ba a fara karatu ba to dai kun sha abin da suka gai ana nan gwamnati ta kawo aniyar kirki bana kuma ana fatan a gani wannan abin za a ci gaba da shi kuma da wanda suka ce su ma za su kama ma gwamnati ba su barin gwamnati ita kadai a ce ita kadai za ta kula da abin da ya shafi ilimi su ma za su sa hannunsu a cuɗa da su sai mu ce a mu na fada a huta lahiya sai an ku.